forum the forum, the forum the forum, the forum district kalam Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Mesdames, et Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 39 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Issidio Kalangou, notre site internet www.issidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou a pour thème Fraude et corruption en milieu scolaire au Niger, ampleur, conséquences et remèdes. L'éducation constitue aujourd'hui la clé de voûte pour le développement de tout pays qui aspire à doter sa société de ressources humaines en qualité et en quantité. D'après un rapport publié par Transparency International et l'Association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC, s'il y a un domaine où la corruption est quotidiennement décriée par les populations nigériennes, c'est bien celui de l'éducation. De la vie de nombreux citoyens, les notes, euh, les passages, exclusions et transferts, les diplômes et les bourses, tout est prétexte aux raquettes et aux pots de vin. Cette situation a atteint un niveau inégalé au cours des examens de 2005. Les autorités ont dû réagir et des enseignants mis en cause dans le cadre d'une enquête de la gendarmerie diligentée à cet effet ont été sanctionnés et incarcérés cette situation a créé de nombreux remous au sein de la classe politique et de la société civile. De nombreux syndicats, notamment d'enseignants, ont protesté contre euh, ces mesures qui sanctionnaient les seuls corrompus et, selon eux, épargnaient les corrupteurs. C'est pourquoi, depuis 2014, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées la Halcia est impliquée dans l'organisation du BPC au Niger. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre l'ampleur de la fraude et la corruption en milieu scolaire, leurs conséquences pour le pays et les solutions alternatives. Nous avons donc le plaisir de recevoir Maman Wada, président de Transparency International au Niger. Maman Wada, bonsoir et Chebou Dambaji, enseignant à la retraite et ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNS. Chebou Dambaji, bonsoir. Euh, bonsoir, Mokhtar. Nous avons également invité le ministère des enseignements secondaires, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Maman selon le baromètre mondial de la corruption en 2013 du Transparency International, près d'une personne sur cinq dans le monde a dû s'acquitter du pot de vin pour accéder à des services éducatifs. Dans les pays les plus pauvres, ces chiffres s'élèvent à 1 sur 3. Comment l'expliquer, Mamanouada Bien, merci. Euh, merci de nous avoir invités à ce forum. En fait, en 2015, il y a eu beaucoup d'arrestations d'enseignants qui sont détenteurs de faux diplômes. Mais en 2006, il y a eu euh, cette mesure contre euh, les enseignants correcteurs du bac, n'est-ce pas, où certains ont été radiés de la fonction publique. Et cela a donné un coup, euh, je dirais, d'arrêt à, ces pratiques, quitte à ce qu'elles reprennent par la suite. Bien, merci. Donc, je dis par rapport à à la corruption dans le secteur de l'éducation, je dois préciser que d'abord, la corruption, c'est l'abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins personnelles. C'est comme ça que nous définissons la corruption au niveau de transparence internationale. Cela suppose que vous bénéficiez de la confiance publique, vous avez reçu la responsabilité à une portion donnée, n'est-ce pas, de servir le public honnêtement, de manière intègre, de manière juste, n'est-ce pas, impartiale, et vous utilisez cette position-là pour vous enrichir, pour enrichir euh, les vôtres, votre famille et les amis. Donc, euh, en milieu scolaire, ce qui se passe, évidemment, c'est d'abord en début d'année, ensuite à la fin de l'année, essentiellement. Ce sont les moments de, de pratiques corruptives intenses. Évidemment, pendant l'année scolaire, ça se passe, mais les deux moments les plus importants, c'est la rentrée scolaire et la fin de l'année. Comment ça se passe à la rentrée scolaire ben, à la rentrée scolaire, je dois préciser que concernant l'administration, puisque c'est elle qui est chargée d'organiser la rentrée, n'est-ce pas, il y a euh, les questions des ouvrages, des, manuels, des fournitures, n'est-ce pas, qui sont utilisés à d'autres fins. Il y a les inscriptions dans les classes. Souvent, euh, certains élèves sont admis alors qu'ils n'ont pas le niveau. Ou il y a la confection des faux bulletins, n'est-ce pas, euh, qu'on utilise pour inscrire certains élèves dans, dans certaines classes et bien d'autres pratiques. Ensuite, à la fin de l'année, c'est encore les, les, passages dont vous faites cas, les passages de doublement-exclusion. N'est-ce pas Là, vous avez des notes qui sont négociées, vous avez des bulletins qui sont falsifiés ou qui sont euh, euh, carrément fabriqués, n'est-ce pas Donc voilà, euh, si vous voulez, les deux, les deux moments d'activité intense. Au milieu de l'année, c'est les fraudes. Les fraudes aux devoirs, aux compositions, qui sont euh, souvent tolérés et qui sont pratiqués par les, élèves eux-mêmes. Donc, l'un dans l'autre, n'est-ce pas, tous les acteurs de la chaîne connaissent leur moment, n'est-ce pas, de pratiques corruptive euh, en milieu scolaire. Maintenant, à, l'occasion des examens, à l'occasion des examens, c'est d'autres pratiques. Euh, les fuites, les fuites des sujets, c'est, maintenant c'est dépassé parce qu'il y a des élèves, même si vous leur donnez les sujets ou les corrigez, ne peuvent pas recopier. Hein, ils achètent les notes. Hein, donc là, c'est les enseignants qui sont les, véritables acteurs, n'est-ce pas, en ce moment-là, avec la complicité des parents, puisque c'est les parents qui financent euh, les, fraudes. Donc, ils donnent l'argent et, euh, l'enseignant fait les fraudes et l'enfant réussit aux examens. Et enfin, autre chose, c'est la pratique des faux diplômes n'est-ce pas, la pratique des faux diplômes. De plus en plus, vous avez des enseignants qui achètent des diplômes dans un autre circuit, n'est-ce pas, qui n'est qui pas celui de l'éducation. Et vous avez des, des, enseignants qui prennent des faux diplômes d'autres pays, n'est-ce pas, ou des diplômes qu'ils prétendent avoir obtenus dans d'autres pays, n'est-ce pas, ils reviennent avec pour enseigner alors qu'ils n'ont même pas quitté le pays, ainsi de suite. Voilà donc, si vous voulez, l'esprit dans lequel la corruption se fait et toutes les pratiques corruptives qui portent atteinte à la qualité de l'éducation. Mamoun Wada, est-ce que votre institution avait alerté à l'époque les autorités en charge de l'éducation au Niger Oui, oui. je peux dire que nous avons mené une étude déjà en 2003 où nous avons parlé de la corruption dans le secteur de l'éducation. Et en 2004, cette étude a été utilisée d'ailleurs hein, pour, euh, à l'occasion de l'organisation d'un forum sur euh, le BPC. E où euh, nous avons mené une enquête ici dans la ville de Niamey. Et l'étude, l'enquête plutôt est intitulée euh, La perception de la corruption par les acteurs de l'éducation eux-mêmes. C'est dans la ville de Niamey où il a été révélé que pour obtenir le BPC, il fallait donner 50 000. Le bac, c'était, euh, le bac A, c'était 150 000. Le bac C ou D, 200 000. N'est-ce pas Et le CFEPD à l'époque, hein, c'était 30 000 ou pour passer en classe euh, euh, supérieure, il faut donner 10 euh, 000 francs. Et je dois ajouter, hein, je dois ajouter que dans ces pratiques, il y avait le recrutement parallèle. À un certain moment dans, dans ce pays, dans beaucoup d'établissements, vous avez des classes, des classes entières qui, qui appartenaient au proviseur. Au proviseur et, et ses complices, le censeur et bien d'autres acteurs, n'est-ce pas Où le proviseur prenait 50 000 francs par élève et qu'il mettait ça dans, dans, sa poche. Et ça, vraiment, dans beaucoup d'établissements, c'était révélé. Et enfin, je précise aussi qu'il y a euh, une autre pratique qui est euh, nouvelle par son ampleur, c'est les transferts, les faux transferts. Vous avez beaucoup de faux transferts où l'élève a même quitté l'école, n'est-ce pas, on l'envoie dans un autre établissement pour qu'il euh, poursuive les études, alors qu'il a été déjà exclu, n'est-ce pas, et, n'est plus dans le système éducatif. Donc ces faux transferts-là se développent il y a euh, beaucoup de cas, plus de, plusieurs centaines hein, ont été détectés par-ci, par-là, à l'intérieur du pays et, même à Niamey. Euh, est-ce que à l'époque des mesures avaient été prises Oui, beaucoup de mesures ont été prises, mais voyez-vous, il faut être vigilant, il faut continuer et garder la vigilance, il faut continuer à sanctionner, n'est-ce pas Et il faut prendre des mesures préventives pour que cela n'arrive pas, pour que cela cesse. Mais sinon, les pratiques se poursuivent, n'est-ce pas Et que nécessairement, il faut, il faut continuer à, à garder le, le cap. Les sanctions ont été prises, beaucoup d'enseignants, je dirais, ont été poursuivis devant les tribunaux. Et beaucoup d'élèves ont été même arrêtés, mais euh, c'est que euh, les aptitudes ont la vie dure. Il faut nécessairement euh, surveiller et il faut punir. M. Boudambaji, vous êtes enseignant à la retraite, euh, ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Euh, peut-on parler de corruption en milieu scolaire au Niger eh, Merci. Eh, Mokhtar, vous me posez une question, à mon avis, qui n'aurait pas dû être, puisque eh, c'est tellement avéré que le problème ne s'oppose pas. Vous savez, quand on parle de corruption en milieu scolaire, le milieu scolaire n'est pas isolé de la société. Donc les pratiques corruptives, ça, euh, c'est un fait reconnu euh, partout. Il y a des pratiques euh, corruptives dans tous les organes, dans toutes les institutions, je dirais, de l'État. Et même pas de l'État seulement. Même dans la vie courante, au niveau traditionnel, vous avez des pratiques corruptives. Donc, c'est un fait avéré qu'il y a des pratiques corruptives en milieu scolaire. Et ce que maman vient de dire, il vous a parlé d'études qui ont été faites. Donc euh, on a dépassé le stade de vie de l'esprit. Moi qui suis euh, resté pendant des années, et lui aussi, euh, s'il maîtrise très bien la corruption, en milieu scolaire, c'est parce que il fut enseignant pendant de, pendant de longues années, et il fut encadreur et, en allant dans son association de lutte contre la corruption, donc il est établi qu'il y a ces pratiques corruptives. Il vous a parlé d'un fait, d'un fait qui s'est passé en 2005, où des enseignants avaient été pris la main dans le sac. La gendarmerie avait procédé à des enquêtes et elle a établi formellement que ces enseignants-là eh, avaient pris de l'argent pour modifier les notes euh, ou pour euh, intervenir pour euh, faire admettre des élèves. Donc, à l'époque, le gouvernement avait pris des sanctions. Donc, on avait le ministère de la fonction publique avait radié donc, du moins avait suspendu ces agents-là pour qu'ils passent devant le conseil de discipline. Et quand ils étaient passés devant le conseil de discipline, donc un certain nombre parmi eux avaient été révoqué pour faute grave. Donc, euh, par la suite, il y a eu un long procès. Parmi eux, il y en a qui ont été, qui ont été réhabilités par la Cour suprême en, son temps. Mais eh, de nos jours, eh, ces mêmes pratiques-là sont en train de revenir. Si vous prenez des sanctions et eh, de manière ponctuelle et que vous ne maintenez pas le cap, il est bien évident que ces pratiques-là vont revenir. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, à l'occasion des examens, effectivement, il y a ces pratiques-là, on relève ces pratiques, même si on n'a pas la dimension qu'elle avait avant 2005, en tout cas, nous relevons qu'il y a ces pratiques-là. Et il y a euh, ce que Maman a bien détaillé au niveau des établissements, ce qui se fait à l'occasion des rentrées, ou des élèves qui ne sont pas méritants, des élèves exclus, qui font intervenir leurs parents, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, pour que leur bulletin soit falsifié et, les garder dans le, dans le système scolaire. Et vous avez aussi, en fin d'année, en tout cas au niveau du BPC et même au niveau du bac, ce qui se passe en fin d'année, il y a des enseignants qui se sont spécialisés dans les pratiques corruptives qui vont voir des parents d'élèves qui prennent de l'argent et en pensant qu'ils peuvent intervenir auprès des membres du jury pour que les enfants y admettent. Alors il faut relever quand même depuis un certain temps ces pratiques-là, elles ne portent pas autant qu'avant. Mais celles qui portent, c'est ce que maman vous, a dit, ce qu'on relève en début d'année et les recrutements parallèles, parce que tous ces actes-là, se font un moyennement paiement d'argent aux enseignants ou à l'administration. Donc, vous me posez une question où je dirais que l'évidence est, tellement établie qu'à mon avis, elle n'aurait pas d'être. Alors, la fraude et la corruption, je dirais que ce sont euh, deux faces d'une même médaille. Parce que quand il y a fraude, ce qui le support de ça, c'est la corruption. C'est la corruption. Donc moi, je vous dirais que euh, en milieu scolaire, oui, il y a les pratiques corruptives et il faut nécessairement prendre des mesures pour y mettre un terme. En tout cas, si nous voulons euh, que la qualité de l'enseignement y soit. Mais c'est bon quand même de retenir que ce n'est pas propre à notre pays ces pratiques corruptives, vous les retrouvez même dans les pays qu'on ne peut pas soupçonner. <laughs> Moi, je, je suis, euh, j'ai suivi une année, c'est en France, où quelqu'un est parti composé à la place de, à la place d'un candidat. Donc on l'a pris la, on pris la main dans le sac, mais la différence c'est que chez eux, c'est difficile de passer dans les mailles du filet. Par contre, chez nous, euh, vraiment en fonction de vos relations, vous pouvez facilement passer entre les mains du filet. Parce que il est bon de rappeler qu'en 2005, lorsque la gendarmerie avait fait son enquête, elle avait fait une recommandation. Et dans sa recommandation, c'était que euh, les coupables ne doivent pas euh, connaître un traitement judiciaire. Elle a recommandé que les coupables fassent l'objet d'un traitement purement administratif. C'est-à-dire euh, ce, qui a été fait, qu'il passe devant un conseil de discipline et puis euh, au niveau du conseil de discipline, on les sanctionne. Vous savez pourquoi euh, C'est parce que la gendarmerie, lorsqu'elle avait enquêté, mais les plus grands bénéficiaires de ce qui avait été révélé, c'était pas n'importe qui. À l'époque, on avait, il avait été établi qu'il y avait des ministres, des officiers supérieurs. Vraiment, même au plus haut niveau, on avait établi que leurs enfants avaient bénéficié des facilités euh, que pouvait euh, procurer la corruption. Donc, on n'avait pas pris de sanctions judiciaires. Et ça, euh, ce qui est grave, ça a été suggéré par la gendarmerie. Donc, ça veut dire que les recommandations n'ont pas eu d'écho au niveau du gouvernement Non. Vous savez, lorsque c'est un haut placé, il faut utiliser le terme, qui est impliqué, <laughs> le plus souvent, euh, on, veut, on maquille. Je vous avais dit qu'en 2005, la gendarmerie avait établi formellement, suite aux interrogatoires de nos, camarades à l'époque, donc ceux qui ont bénéficié de ça, c'était des officiers supérieurs, c'était des, euh, des ministres. Et à l'époque, on citait même un nom euh, au plus haut niveau dont la fille avait bénéficié de ça. Vous voyez Donc pour que ça ne fasse pas des vagues au plan politique, alors eh, on a eh, voulu ce traitement-là. Mais lorsque vous voyez même de nos jours, quand on prend certains élèves la main dans le sac, ce que je constate, c'est que on ne laisse pas la procédure se faire jusqu'au bout. En tout cas, c'est rare que la procédure judiciaire qu'on la laisse se dérouler jusqu'au bout. On fait tout pour que, euh, au niveau administratif ou même au niveau de la police judiciaire, que le dossier soit éteint. Or, ça, là, ce n'est pas une bonne approche. Si nous voulons des résultats de qualité au plan scolaire, nous sommes obligés de sanctionner tout celui qui sera pris la, sera pris la main dans le sac, en train de corrompre pour que son enfant obtienne un diplôme ou que son enfant euh, passe ou que son enfant euh, puisse bénéficier d'une bourse. Parce que c'est un volet, je crois que, et maman n'a pas évoqué, c'est le volet d'attribution des bourses. Là-bas aussi, il y a des pratiques ah, corruptives. Euh, il y en a tellement, surtout les bourses étrangères. Donc, même si nous n'ont pas fait d'études là-dessus, je suis sûr que et de par les échos qui leur parviennent, et nous étant du milieu, nous savons qu'est-ce qui se fait au niveau de l'attribution des bourses, notamment les bourses étrangères. Chez Boudambaji, beaucoup d'acteurs du domaine de l'éducation pensent qu'il est possible de lutter contre la corruption dans le secteur éducatif en développant de nombreux programmes qui intègrent ce combat dans le cursus scolaire et dans les activités pédagogiques. Quelle est votre lecture à ce sujet Ça, là, moi, ça me paraît être une approche un peu angélique. Ça ne suffit pas pour que ces pratiques euh, soient euh, arrêtées en milieu scolaire. Il y a un certain nombre de mesures à prendre. Parce que ces pratiques-là, elles sont le fait essentiellement de l'administration. Donc, ce sont des acteurs de l'administration qui facilitent ces pratiques retour. Donc, s'il y a des mesures à prendre, en dehors de ce que vous venez là d'évoquer, il faut voir les choses un peu terre à terre. Un peu terre à terre, ça, veut dire qu'on ne nomme pas n'importe qui chef d'établissement. Vous savez, même dans le milieu enseignant, <laughs> nous nous connaissons tous, nous savons ceux qui peuvent occuper ces postes-là. Et on peut attendre d'eux qu'ils puissent se comporter dignement. Éviter, en tout cas, ne pas tomber dans ces travers. Mais dans les faits, ce n'est pas ce que eh, nous observons. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, ces pratiques-là aussi ne sont pas que le fait de l'administration au niveau scolaire, au niveau du proviseur ou au niveau, de, eh, au niveau du directeur de CEG ou des écoles. Mais si ces pratiques-là persistent c'est parce que ces chefs d'établissement-là, ils ont des parapluies politiques. Donc si nous voulons mettre un terme à cela, il faut qu'on commence par nommer des cadres comme chefs d'établissement dont on est sûr. En tout cas, on ne peut pas jurer qu'ils ne vont pas le faire. En tout cas, qu'ils bénéficient de préjugés très favorables dans la gestion quotidienne des établissements. Euh, euh, ces gens de personnalités sont euh, nombreuses. Non, on en rencontre, vous savez, non, non. <laughs> Mais écoute, lui, lui il, a, il a fini sa carrière sans être directeur régional de l'enseignement, du moment. moi, je sais qu'il y a des centaines de moments, des gens qui sont honnêtes, qui peuvent faire le travail. Et si vous avez un bon directeur régional, un bon directeur départemental de l'enseignement, <laughs> vous êtes sûr que à la rentrée, lorsqu'on va lui envoyer les listes, lorsqu'on va leur envoyer les listes, autant pour moi, mais ils vont faire un travail de fourmi, ils vont vérifier. Celui-là qui a été transféré, il vient d'où euh, Montrez-moi l'ordre de transfert et je vérifie. Donc, on peut faire le travail et vérifier. Donc, ça permet d'endiguer ça. Et pour les, pour les examens aussi, certaines choses sont possibles parce que on nomme, je ne dirais pas n'importe qui, en tout cas, on met des gens comme euh, euh, président du jury, des gens qui ne font pas preuve de suffisamment de rigueur, qui ne travaillent pas avec les textes, qui sont portés à prendre un peu de cola ou à mettre euh, à contribution les relations personnelles et faire admettre des gens. Moi, je vous assure que dans ce pays-là, quand les gens disent on se connaît, on se connaît, non, c'est de, la, de la vaste blague, parce que assez souvent, quand les gens le disent, ils veulent insinuer que tout le monde tout le monde est corruptible ou tout le monde va faire ça. Non. Il y a des gens qui ont géré et on a vu ce que ça a donné. Maman Wada, le rapport mondial sur la corruption dans le milieu de l'éducation exhorte les États, les organisations internationales, les entreprises et la société civile à s'assurer que partout dans le monde, l'impératif de bonne gouvernance soit au cœur des politiques d'éducation. Le Niger est-il déjà dans cette dynamique, Mamoun ben, Wada Merci. Eh, permettez-moi de avant de répondre, permettez-moi de compléter l'idée par rapport à l'étude de 2004. Effectivement, c'est une omission de ma part en 2004, l'étude a révélé que pour avoir une bourse à l'étranger, il fallait donner 300 000 francs à la NAB. Donc c'est ce qu'il y a dans l'étude. Et je dois aussi compléter l'idée euh, du rapport de la gendarmerie. Il a parlé des gens de haut niveau. Oui, vraiment il y en avait. Et il y avait même quelqu'un qui a pris le risque de parler de ça à la télé par rapport à son enfant. Euh, mais il faut aussi dire que c'était de grande envergure. Il y avait tellement de monde qui était impliqué que on risquait même d'arrêter pratiquement une bonne partie de la société. Mais la gendarmerie avait recommandé ce qui n'était pas bien. La, gendarmerie a recommandé de, prendre des mesures administratives, n'est-ce pas Or, il faut appliquer la loi. La loi est faite pour être appliquée. Si on n'applique pas la loi, eh bien, les faits sont têtus, ils vont se poursuivre et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à votre question. Eh, oui, si nous voulons une éducation de qualité, il faut de l'intégrité. Il faut des enseignants de qualité il faut une administration intègre, il faut eh, des, élèves euh, formés, n'est-ce pas, à l'honnêteté, à l'intégrité, à l'effort, hein, au travail bien fait. Tant que nous ne passons pas par là, nous ne pouvons pas nous en sortir. Les premiers travers, il a dit, c'est la forte politisation. Non, je dirais la politisation même de l'école. L'esprit partisan prévaut énormément, n'est-ce pas, dans le choix des responsables, dans le choix des examinateurs, dans le choix de tout ce que vous voulez dans le système éducatif. Aujourd'hui, eh, comme hier, n'est-ce pas, évidemment, il n'y a pas le mérite et la, qualité comme référence, voyez-vous, pour être responsable. Euh, dans les années 60, 70, euh, même jusqu'à les années 80, celui qui peut être directeur de, de déjà ça se voit. Euh, même les élèves peuvent le dire. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a la rigueur dans le travail, qui a le sens du service public, qui est honnête, qui ne se laisse pas faire et qui est convaincant en classe. Voyez-vous. Aujourd'hui, est-ce que ces valeurs peuvent être de retour euh, dans le système éducatif nigérien Nécessairement. Nous avons parlé de la forte politisation. Comme, comme il dit, on se connaît dans l'éducation, dans l'enseignement. Chacun connaît chacun. Chacun connaît la valeur de l'autre. Et dès que vous faites des nominations politiques, vous qui êtes à l'écart, évidemment, la machine est déjà grippée parce qu'à l'intérieur, les gens se connaissent. Hein, chacun a évalué, n'est-ce pas, la capacité de l'autre ou ils ont vécu ensemble, ils ont fait la même promotion ou des promotions très rapprochées. Donc chacun connaît chacun. Donc si on ne respecte pas des valeurs, il y a des valeurs à l'école, il y a des principes à l'école, il y a le respect même de la hiérarchie à l'école. S'il n'y a pas tout ça là, évidemment, la machine sera forcément grippée. Deuxièmement, nous constatons que de plus en plus, il y a des repêchages, des repêchages, je dirais, permettez-moi le terme, je l'utilise exprès, des repêchages fantaisistes. Hein? On ne peut pas descendre à 7, à 6, pour que les gens réussissent à un examen, pour dire qu'on a tel nombre de... Non, ça c'est de la médiocrité qu'on développe. On cultive la médiocrité et non l'excellence. Or, à une certaine époque, les élèves qui sont envoyés à l'école, dans les écoles normales, pour devenir enseignants, c'est des gens d'une certaine qualité Aujourd'hui, il faut qu'on repêche des gens pour les envoyer hein, dans les, écoles de formation. Des gens de bas niveau qui sont, qui sont envoyés pour former euh, les autres. Ce qui fait qu'on reproduit la médiocrité. C'est devenu un système de reproduction de la médiocrité. Voyez-vous. Il faut qu'on sorte de ce, de ce schéma-là pour favoriser la qualité on va avoir certainement des années, des années où il n'y a pas beaucoup de partisans, euh, je dirais des candidats pour l'enseignement parce qu'il n'y a pas de gens de qualité. Mais, mais qu'à cela ne tienne, on va y arriver, n'est-ce pas, quand on va reprendre. Parce que pour qu'il y ait de la qualité, il faut des hommes de qualité. L'éducation, c'est le fondement de tout. C'est le fondement même de l'avenir social. C'est le fondement de l'avenir économique. C'est le fondement de la politique. Hein, c'est pas pour les médiocres même la politique, c'est pour les gens de qualité. Il faut le dire, on ne doit pas avoir honte de le dire. Il faut des gens de qualité, l'esprit de qualité hein, pour gouverner les hommes, pour conduire les hommes au bonheur. Nécessairement, cela veut dire qu'il nous faut une école de qualité. Il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. Il faut choisir les meilleurs. Chez depuis 2014, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halcia, est impliquée dans l'organisation du BPC au Niger. Est-ce qu'il y a des résultats palpables sur le terrain Bon, vous avez. Euh, la Halcia est impliquée, mais à quel niveau Est-ce que son implication est à même d'endiguer ce phénomène À mon avis, non psychologiquement, ça peut représenter, disons, euh, une espèce de... Ça va faire peur, mais <laughs> jusqu'à un certain niveau. Vraiment, tel que ces choses-là se passent, moi je pense que la Alcia, son intervention n'est que du, que du domaine du symbole. Elle ne peut pas empêcher, de par même ceux ce qu'elle envoie, le nombre de personnes qu'elle envoie au niveau des jurys, quelles sont les tâches qu'elle exécute. Donc elles ne sont pas à même d'indiquer ce phénomène. Moi, je pense que si on veut traiter ce phénomène, il faut travailler avec les ressources qui existent, prendre des dispositions pour que ces fraudes-là, en tout cas, si elles ne sont pas éradiquées totalement, qu'elles puissent être minimisées au maximum. En quoi faisant au niveau des choix des présidents des jurys, vraiment s'assurer que ceux qu'on envoie, c'est des gens qui ne sont pas complaisants, qui vont faire le travail dans les règles de l'art. Deuxième niveau, c'est au niveau du mode de surveillance. Parce que ce qu'on relève, Alcia ne va pas dans les salles. Elle ne va pas dans les salles. Surtout dans les jurys et eh, déconcentrés, les petits jurys eh, au niveau des communes, Alcia n'y va pas. Donc, il faut euh, prendre des mesures au niveau de la, au niveau des surveillances pour que les surveillances se fassent dans les règles de l'art. Que l'élève qui veut tricher ne puisse pas tricher ou que l'enseignant qui veut intervenir pour donner la correction à ses élèves qu'il ne puisse pas, ne pas le faire. Et l'autre niveau, c'est au niveau des délibérations on délibère. Mais ce que je constate au niveau du BPC, la délibération n'est pas aussi sérieuse que, ça. Elle n'est pas aussi sérieuse que ça. Donc, selon vous, chez Boudambadji, il y a beaucoup de travaux à faire euh, dans ce domaine Non. Il y a seulement des. disons, à mettre en place le dispositif qu'il faut. Ce n'est pas des travaux. Il y a les ressources qui peuvent faire, ce qui peuvent faire ces travaux-là. Choisir des présidents du jury qui peuvent faire le travail faire en sorte que la surveillance ne se fasse pas de manière complaisante et aussi au niveau des délibérations. Lorsqu'on délibère, il faut qu'on s'assure que le président du jury là, qui va aller faire le PV, qu'il ne puisse insérer aucun nom. Moi, je me rappelle à, l'époque au niveau du baccalauréat, lorsqu'on finissait de délibérer, on faisait signer les membres du jury. Il y a un PV où on signe. Donc, moi, à mon avis, c'est par là qu'il faut passer. Et puis, il y a certainement le travail d'éducation. Il faut former nos, il faut éduquer nos enfants dans le sens euh, de sacrifice, que tout ce qu'ils obtiennent, qu'ils l'obtiennent par le mérite et non pas par le couloir de la corruption. Maman Wada, quels sont les moyens de lutte contre la corruption euh, Sont-ils suffisamment vulgarisés et connus au Niger Bien, merci. Mais avant, je dois dire que la ne peut pas empêcher un enseignant de prendre contact avec un élève dans une salle ou à la sortie. Hein? La ne peut pas empêcher un enseignant d'aller voir un parent en dehors des heures de composition. Hein? ne peut pas empêcher un enseignant de corriger une copie avec euh, un bic bleu avec, euh, qui porte un capuchon rouge. Hein. il y a beaucoup de choses que la ne peut pas faire. La c'est juste la psychose, hein, un peu l'esprit, le climat qui, qu'on développe, mais il y a des gens qui sont sereins de la fraude. Ils, sont, ils, sont, ils, ont un sang-froid terrible qu'ils peuvent faire la fraude, n'est-ce pas, sans qu'on le sache. ne peut pas empêcher qu'on insère des copies dans, dans de nouvelles enveloppes. Hein? C'est-à-dire un élève, un élève qui a mal composé, ou on sait qu'il va mal composer, un enseignant compose, après il reprend, on remet la copie dans la... ne peut pas connaître tout ça là. C'est évident. Hein? je ne sais pas. Et, en plus, ils sont combien Ils ne sont, pas, ils sont pas une centaine, ils ne sont pas un millier. Donc, euh, ils il ne peut pas couvrir tout le pays, il ne peut pas couvrir tous les centres, il ne peut pas être face aux copies, à chaque copie. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons également invité le ministère des Enseignements secondaires, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Mamoura, est-ce que les moyens de lutte contre la corruption sont connus au Niger Mais c'est ce que je dit. C'est juste, c'est juste une mise en œuvre. Le dispositif existe. Hein. On prévoit même qu'il y aura des fraudes. Hein. Donc il y a des textes contre les fraudes. Il suffit de mettre en place tout le dispositif et, de, de, le valoriser. Hein. on pense même à un logiciel au niveau du ministère. Donc, c'est que euh, on a des idées qu'on ne met pas en œuvre. Et tant qu'on ne va pas les mettre en œuvre, bien, euh, ce sont des fissures. Les fraudeurs vont s'y installer, ils vont les exploiter à fond et ils vont pourrir de l'intérieur le système. Et, malheureusement, le, le, problème de l'éducation, c'est que des fraudes peuvent s'infiltrer aujourd'hui, mais pour les ressentir, il faut 10 ans qu'on va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mamoun Wada, si rien n'est fait dès à présent, que risque euh, le Niger dans 10 ans, 20 ans, 30 ans Mais je vais vous dire, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de contact avec les copies des élèves actuellement même. Hein, vous allez avoir une idée claire. Hein, si vous lisez une copie d'élèves aujourd'hui, c'est extrêmement désastreux. ça, vous ça vous décourage parce que l'école forme des adultes, hein, elle forme des gens de, l'avenir, des gens de demain, hein, des gens de qualité qui doivent servir leur pays avec toute la qualité requise, qui, vont rentrer dans les compétitions régionales et internationales. Hein. si vous avez des gens qui sont sur des béquilles, hein, ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas progresser économiquement, vous ne pouvez pas progresser socialement, il n'y aura pas de développement. le, développement va connaître un frein brusque ou brutal. Et ça, c'est à partir de l'éducation, parce que tout dépend de l'éducation et de la qualité de l'éducation. Moins elle est, elle est bonne, eh bien, eh, eh, moins il y aura le développement. Si elle est défectueuse, elle est mauvaise, il n'y aura pas de développement. Et à ce jour-là, si on ne fournit pas d'efforts, eh, il n'y a pas une sorte de, de, catharsis et, et, une violence soi-même, je pense que on va, on, va, on va danser sur place. On va attendre en vain le progrès. On va toujours se demander pourquoi on n'avance pas, pourquoi on est en retard. On n'avance pas parce qu'on ne fait rien pour avancer ou parce que les efforts sont très faibles, ils sont largement insuffisants, ils ne sont pas à la hauteur du désastre que les gens vivent. Euh, Chez Boudambadji, le plus souvent, les raisons avancées pour justifier les pratiques de corruption sont la peur de l'échec aux examens et l'acquisition coûte que coûte euh, du diplôme. Euh, comment mettre fin aux pratiques corruptives à l'école vous savez, les, pratiques corruptives à l'école ou dans la société, on y met fin par la volonté d'y mettre fin. Et la volonté d'y mettre fin a un contenu. Si vous mettez des gens qui sont portés à la corruption, qui sont facilement tentés par la corruption, il est bien évident que vous aurez ce que vous aurez euh, ce, que vous avez récolté. Donc, on peut lutter contre ces pratiques-là par le choix des hommes. Par le choix des hommes. Et l'autre niveau, c'est la sanction. Vous savez, <laughs> c'est que assez souvent, dès qu'on parle de sanction, les gens ils trouvent que ce n'est pas normal. Alors que nous sommes habitués dans notre vie courante, que ce soit au village, dès que quelqu'un faute, il est sanctionné. Donc aussi longtemps <laughs> que notre administration est-ce que ce sont là les conséquences de la politisation dont vous avez fait cas euh, de l'école euh, nigérienne Non, euh, il y, a, il y a la politisation, mais l'absence de volonté. Le manque de sanctions, par exemple Non, le manque le manque de sanctions, il faut quelqu'un qui déclenche il faut quelqu'un qui déclenche. Donc, si celui qui déclenche là a peur de déclencher et que ça retombe sur lui, eh, il est bien évident que ça sera un, cercle vicieux. Moi, à mon avis, vraiment, eh, la situation, certes, elle est très difficile, elle est très délicate eh, du point de vue des pratiques que nous observons sur le terrain, mais on peut, on peut traiter ces pratiques-là la halcia, parlons-en. Vous savez, la halcia est censée euh, travailler dans ce sens. Mais ça, là, au niveau de l'école, mais c'est des pratiques que je dirais que c'est le menu fretin. S'il y avait la volonté réelle, si la halcia travaillait au plus haut niveau, qu'elle montre que ces pratiques-là, elle est déterminée à en découdre et qu'elle ait les moyens de le faire, moi, je vous Monsieur est-ce que la LCAP s'opposer par exemple, à, la nomination d'un directeur d'école, d'un censeur ou d'un proviseur Non, moi, je parle de sanctions. Mais un proviseur qui a pris la main dans le sac, il a fait recrutement parallèle, il faut le sanctionner. Il ne faut pas dire que c'est un cadre de telle coloration, euh, on va fermer les yeux, il faut le sanctionner. Mais si on ne sanctionne pas, seulement on constate, mais ça sera euh, l'éternel recommencement. Donc, nous avons des juges et nous avons même un pôle, je crois, un pôle judiciaire spécialement qui a été mis en place pour juger de, pour juger de ces choses-là. Alors, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Nous ne sommes pas différents des autres sociétés. ces sociétés-là, par exemple, lorsque vous prenez <laughs> les sociétés occidentales, mais sur ce plan, qui que vous soyez, si on vous prend sur ce terrain, sur le terrain de la pratique corrective, quel que soit votre rang, vous êtes sanctionné. <laughs> C'est ce qui fait que eh, dans ces pays-là, eh, les gens font extrêmement attention dans la gestion quotidienne eh, des, biens publics. Il faut qu'on arrive à ça, que le, directeur d'école, le DG, le, ministre, qu'il sache que s'il prend l'argent d'un commerçant pour donner et un marché, marché complaisant, si on le prend de la, main dans le sac, il va aller devant le juge. Et le juge va le juger. Et aussi, il y a, à mon avis, un débat qu'il faut faire, c'est celui de euh, c'est celui de l'enrichissement illicite, qui est aussi lié à la corruption. Parce que ça, ça permet de voir. Ça permet, je dirais que... des, uns et des Non, c'est un indicateur si euh, maman, je sais que c'est un, enseignant qui est parti à la retraite, si maman est, logée aujourd'hui dans une villa de 200 millions, mais à chaque fois que je vais passer, je vais dire ça, ça c'est chez maman. Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait la volonté, même au niveau de Al-Siala, de lutter contre ces pratiques corruptives. Quelqu'un qui ne peut pas justifier de son train de vie, <laughs> mais il faut qu'il justifie où est-ce qu'il a eu cet argent. Et il faut le faire vraiment de manière non sélective, quel que soit le cadre ou le, quel que soit le, cadre ou le commerçant qui sera interpellé, il faut qu'il réponde de ses actes. Maman Wada, quels sont vos conseils ou recommandations pour une école sans corruption ni fraude au Niger Bon, sans corruption, <laughs> c'est un idéal. je dois dire que les choses peuvent changer. Hein. Ce n'est pas la fatalité. On peut combattre la corruption, on peut combattre les fraudes, n'est-ce pas Et en matière de lutte contre la corruption, il n'y a que deux options. Il y a l'option de la prévention et l'option de la répression. Il faut faire les deux en même temps. Autant il faut éduquer les gens, les jeunes, il faut les former à des valeurs. Nous avons perdu nos valeurs. Nous avons perdu des valeurs qui sont vraiment positives. Hein? qui font le socle, qui, qui font le socle de notre société, qui font la solidité de la société, ce sont ces valeurs d'honnêteté, d'intégrité, de respect de, la personne humaine, du travail bien fait, de la justice, etc. Ces valeurs ne sont plus enseignées. Ce qui intéresse les gens maintenant, c'est la course à l'argent. Hein, c'est l'argent. L'argent, il faut s'enrichir, il faut avoir l'argent, il faut se montrer, il faut mener un train de vie, n'est-ce pas, qui, qui, est assez, assez provocateur. Ça, c'est vraiment le mal. Il faut éduquer les gens. Les adultes, il faut les sensibiliser. Il faut continuer à les sensibiliser, n'est-ce pas Eh bien, ceux qui enfreignent la loi, ceux qui violent la loi, il faut les réprimer, il faut les punir. Donc, c'est surveiller et punir la corruption est un obstacle dangereux à la qualité de l'enseignement et au développement socio-économique. Elle compromet le travail des universités et risque même d'affecter durablement la réputation de l'ensemble du système d'enseignement d'un pays. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maman Wada, président de Transparency International au Niger, et Chebou Dambaji, enseignant à la retraite et ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES. E Je rappelle à nos auditeurs que nous avons également invité le ministère des enseignements secondaires, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 39 radios partenaires. Merci, au revoir.